Baba Show et les Sport TV. L'actualité, en continu galactique une fois c'est la Lamine Camara, buteur et qui voit rouge, mais aussi le retour ou bien l'arrivée de Lamine Camara du côté de la France, voire aussi le Barça qui rassure, et aussi Nidi Manchester City qui déroule Gaël, les Pneufazenoko, Wassare, Lina Gaï, maillot ce troisième maillot, Bou, les Blues de Chelsea, qui saison 2024, Bignounek ni hein, donc Ngisco, Maebi Monek, c'est le troisième maillot, Binghamnanak, les joueurs de Maresca et les coéquipiers de Nicolas Jackson, <laughs> mon Sol gars joli, légende, pour nous, jox leen année de naissance hein gis Ronaldo c'était en 76 qui dit ci en 1977 ngeen gis yeneen joueurs un hein, yo xamné ne. ngeen ci xàmmee Ronaldo Ronaldinho et tout donc une date de naissance ngeen am ko euh, fini gay donc les légendes mais aussi gis ngeen ko hein, euh, ñom Lamine Yamal 2007 lañ Neymar 92 ki nga donc Harry Kane 93 hein aussi Kimmich 94 15 kii Rodri, 96 entre autres Mbappé 98 ngeen gis ci Haaland 2000 <clears throat> li nga xam nag donc date de naissance Kinagai Bi, le joueur de l'Inter Fabio Vieira bi du côté plutôt d'Arsenal du côté du FC Porto <clears throat> Fabio Vieira concurrence moo mets du côté de dégg na mu daal dem du côté de Porto Dani Olmo malheureusement gars yi tey ak Barcelone parce que ba léegi mënuñu ko inscrire waxoon naa leen ko ay problème la ñu difficulté financière mais aussi il faut ñu daal Diaye est joueur ah, à tamit un peu l'effectif pour inscrire Dani Olmo mais cela n'a pas empêché le FC Barcelone de battre l'Atlético Bilbao de Nico Williams deux buts à un Lamine donc coup donc Google à la 25 e minute de jeu but stratosphérique de la nouvelle pépite barcelonaise avant que Gambo donc Sancet égalise à la 43 e minute et Robert Lewandowski qui revient et qui marque le but libérateur à la 75 e minute de jeu Ganabi donne donne la balle sur le poteau donc coup de tête hein, donc puis mais Mongo, hein mais quand même il a su se rattraper Mon meilleur sous la houlette de Hans Dieter Flick le meilleur buteur de la Bundesliga enchaîné qui n'a des Rafinha, on n'en parle pas beaucoup en hein, Ligue mais Rafinha actuellement il est en train de faire un travail phénoménal du côté du FC Barcelone qui est critiqué et tout, mais il est là, il est présent, il montre également qu'il est important dans cette équipe de euh, Barcelone, à hein, Mongok, mais aussi Nidi Arsenal, Nyogino Arsenal, Arsenal Dalido, Arsenal Villa, 2 buts à 0 à l'extérieur, 3 à la 67e minute de euh, jeu, et c'était trop tard un peu même pour Aston Villa qui voulait revenir au score, mais il a fallu que Thomas Partez, met fin à la partie T'as di dugal deuxième but. mais que dit de William Saliba guys. Saliba William gars hein, surface de réparation il était là comme le mur d'Arsenal William Saliba donc il a intervention exceptionnelle Erling Bro, Haaland et Manchester City guys, qui atomise leur adversaire du jour guys. 4 buts à 1 Alan un doublé le joueur donc cyborg il est de retour hein, pour montrer que Momo est patron du côté de la Prime League pour devenir encore meilleur buteur mais que dire du retour du grand Ikaï Gundogan Gundobak du côté donc de Manchester City ngeen gis ni Kevin De Bruyne et ses amis il est surtout souriant gars il a retrouvé le sourire mais aussi un Kevin De Bruyne il est phénoménal Kevin De Bruyne et aussi Savigno le nouveau Mahrez de cette équipe de Manchester City Savigno également Savonena nga les défense il a été phénoménal donc Pep Guardiola qui retrouve son équipe sa dream team anglaise bien évidemment et Nina euh, Everton a que di a ah, donc euh, Tottenham ñoo ah. Idrissa Gana était titulaire du côté de Everton c'était le seul sénégalais Bon, on a moo titulaire au début de la rencontre mais il a dóor gars il ah dóor 4 à 0 le leen Dour. Idrissa Gana est sorti à 90 minute de jeu Pape Matar Gaïtar, Boy Thiès Men, football le Bok, Pape Matar Sarr ah. Pape Ndiaye Tar Boytiès Mounfou est rentré comme remplaçant Dougouna, hein, donc également dans cette rencontre. De même que l'autre Sénégalais, Iliman éliminé, éliminé, euh, Doud Padjelek, Skiliman Ndiaye, <laughs> il est entré, hein, Iliman Ndiaye remplaçant, mais il n'a pas pu au moins Google benn face à une équipe de Tottenham bo il démarre euh, fort hein. donc mon ngoog c'est euh, li nga donc Premier League bi donc match yu neex la ñu am ñi nak di Lille ñom nak ñoo Angers 2 buts à 0 avec Thomas Meunier l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui retrouve un Ethan Mbappé également boo xam au ba muy Paris mo époque bi mi ngi nekkoon fa nga donc ci centre de formation bi en quelque sorte donc Thomas Meunier qui marque également mais qui dire de qui Lamine Golden Boy Lafchat Camara buteur mais malheureusement dafa jël carton rouge le joueur sénégalais qui enchaîne, un hein, performant, double premier but avec Monaco en championnat. Lamine Camara qui a été série mais malheureusement, il a le carton rouge, mais aussi un Lamine en appelle un autre. L'autre Lamine Camara, Monaco le championnat de France, mais en tout cas, il pourrait venir du côté du championnat de France selon RMC ndax actuellement moom mi nga xam ngeen euh, du côté donc du euh, championnat marocain le nekk de football moom nag Montpellier mo ci teg pour recruter le longiligne milieu de terrain sénégalais pour man da ko mérité parce que boy bi ba mu war a ñëwoon Marseille dafa mën ay problème mais c'est un boy boo xam man li ma gënoon naqari ci football sénégalais sincèrement moy boy bi il mérite de jouer en championnat européen te dellu si nañ ñaan mu sotteeg gam parce que il le mérite Lamine Camara diko wax champion wéyal ci lolu même si également tu nous écoutes di la parce que tu mérites d'aller très très très loin comme tous les jours sénégalais les amis les monaco nekkoon information bu leen fàtte ci kanam tout live bien que koy télé def arrêté c'est sûr donc aujourd'hui nous TikTok bi eSport TV 1 le. vous de di like wéy de abonner, si vous ci le suba ñu la gars